Thank you. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le Macky assassin. Macky complice. Sénégal en feu. le Sénégal. Libérez le Sénégal. Libérez Macky Sall assassin Macky Sall dictateur

Listen, God, El the woman. Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le assassin. Macky Sall le assassin. Macky Sall le tueur de sang. Macky Sall tueur de sang. Macky Sall assassin. Macky Sall le assassin. Macky Sall le assassin. Dan then you respect Sunu Senegal. Sunu sosete yang batuna, Sunu sosete yang batuna. Then you am faida, dan you am faida, then you respect Sunu Senegal. Sunu sosete yang batuna, Sunu sosete yang batuna. Then you am faida, dan you am faida, then you respect Sunu Senegal. respecté suñu Sénégal suñu société yëngatu na oh. suñu société yëngatu na on est bien encadré on est bien encadré pas de violence Patron, complice, patron, complice, patron, Pakistan Pakistan Makisalo, Makasalo, Antoine, patron, patron, patron, patron, Antoine, Antoine, Antoine, مكي سلم مكي سلم مكي سلم أنطوان ماكرون ماكرون ماكرون ماكرون مكي سلم مكي سلم مكي سلم أنطوان أنطوان أنطوان مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى Euh, donc là, on est, euh, voilà, il y a les forces de l'ordre là. Ils sont venus massivement parce qu'apparemment, on va faire. une confrontation donc voilà moi je ma lay les images les forces de l'ordre ils sont là massivement massivement mais nous, on est arrivés au lieu ne la manif pas. ok ok. 1 0 Passez tous vos corps épaule contre épaule, mais puisque frères sénégalais debout, unissons la mer et les sources, unissons la terre et la forêt, salut la vie, On vous remercie d'avoir pris de votre temps de ce dimanche, de vous mobiliser et de venir ici témoigner de votre volonté, de votre détermination, de votre engagement pour faire comprendre à Macky Sall que ce pays ne lui appartient pas. Je vais résumer ce que veut Macky et vous allez me dire est-ce que vous êtes d'accord avec ça Macky ne veut pas quitter le pouvoir, il veut y rester. Êtes-vous d'accord Non Macky Sall veut choisir les candidats de la prochaine élection. Est-ce que vous êtes d'accord Non voilà, je ne vais pas en dire plus. C'est votre détermination, c'est votre engagement, c'est votre organisation. C'est cela qui peut être un obstacle et faire de telle sorte que force restera au peuple. Force restera au peuple. Force restera au peuple. Je vous remercie. doon euh, alal ñu nekk si la jolie kon soxluñu loolu Sénégal la ñu alalu Sénégal yëpp ñu jox ministre yi loolu yoon ba jetta gurnaam Sénégal ɓe dokka wambe e pouvoir ɓe kala ɓiɓɓe leydi sénégal ene jahat naata e leyɗele ene gaañi ene mbare kadi yimɓe ene jiɗi heɓde koye mumen ɓe gara kadi ɓe peesuwaɓe meɗen ɓe cohli men e gasoji ɗum yo gas makkinande ko troisiéme mandat min mbi troisiéme mandat do ko so ha no haalno non bi de ko konngol mum makki on o natti wonde pour le parce que ça c'est comme kadi noon kamɓe wonɓe bureau ji ɓe ɓe mbaɗi hannde organisation wadde ɗo ene manifestation fottude makki sall ɓe mbiya kamɓe jeeyi mantelage hay mantelage ni goto ɓe jeeya par ce que arɓe ɗoɓe fof addime ko kañumen gaddi koye men hay goto hokkaka ɗo kaalis makki noon min jiɗi anndindema hankkandi gasi hay goto wondare ma ɓe woni koye fundurema ɓe ñaama kaalis ma ɓe bonna leydi sénégal jeehna ko mi jiɗɗo ko tagi mbeɗa wawi haalde mbeɗen wawi haalde wolof kono kalami koye pular pour ɓe nana mantelage linaɓe kamɓe ɓe mbino ko hande manifestation watta par ce que ɓe gadori d' abord ko wiide ɓe jahaɓe kalna maire mantelage joli wonde pastef naɓe hande ne mbaɗa manifestation jiɗi ko helɗo consulat mbimiɓe ko haɗata manifestation wadde gole saɗi par ce que ni min puɗɗori gila min jaare ɗiɗo hamin goni tawa ha hande fo no wayni hande wayi kamɓe ɓe sikkata ko mantelageoli ko kaplaren jeeyi ɓe sikkata mantelageoli jeeyi ɗum ko makkisal kono ɓe punti koye mabɓe ko tagi mi wiɗe ɓe punti koye mabɓe min élection législative e local fo tawimi ko sénégal gartumi sénégal ça fait deux mois

population yi ɓe timmani haydara ɓe jiiɗi hollirde makkisal ko kamɓe jeeyi manta ko kamɓe gañako manta wona goonga ko ɗum nde kollatama wona koonga wona koonga ɗiɗi wona koonga sénégal naaɓe ɓuɗɗire guite tan enen foof enen ndeni sago sago men ko makkisal watta troisiéme mandat o jogorandi wadde troisiéme mandat o kayni ha laaɓi o kayni ha laaɓi makkisal kayni Merci beaucoup. Merci à Qu'on soit tous là. Parce que c'est très important. Sané, qu'on a attrapé du F24, il a passé plus de 4 ou 5 jours en prison. Et il a vu les prisons remplies de jeunes qui n'ont pas de quoi manger, qui sont blessés. Donc actuellement, on a un pool d'avocats qui se trimballe dans tous les commissariats dans toutes les prisons pour faire le point des gens qu'on a attrapés et de les défendre pour qu'on les libère. Parce qu'il n'y a aucune raison de du appeler. Donc c'est pour ça que la cagnotte là est très importante, parce qu'au Sénégal on est en train de chercher pour pouvoir démolir parce que c'est des gens qu'on a attrapés dans la lutte, on ne peut pas les laisser là-bas et tout pour coup. Aujourd'hui, plus loin à faire au Tabaski, eux aussi son droit à la Tabaski. Pour nous, c'est Tabaski pour tous, c'est Tabaski pour Sonko, c'est Tabaski pour tout le monde. On ne peut pas faire la Tabaski en bloquant Sonko chez lui, au Open Mungena, Temset ses administrés à Ziguinchor, Temset sa famille. Pour nous, la Tabaski, c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'on on a lancé l'opération Tabaski pour tous. Si la Tabaski ne peut pas avoir pour tous, Tabaski nous âme. C'est ça la question. chose, c'est qu'il y a des gens qui disent, oui, c'est très bien de se battre, mais moi je ne vais pas marcher pour une personne. Ces gens-là ont tort. Ils ont tort parce que dès ils marchaient, c'est la seule façon de pouvoir faire reculer Macky Et puis quand on marche, on ne marche pas pour une personne. On marche pour une personne qui symbolise toutes les souffrances que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, cours est quelqu'un qu'on veut éliminer de la course à la présidentielle. Ça fait partie de nos revendications. Sonko, c'est quelqu'un qu'on arrête illégalement. Ça fait partie de nos revendications. Son cours aujourd'hui, c'est quelqu'un qui lutte contre le troisième mandat, contre une troisième candidature. Il fait partie de nos revendications. Donc, il faut marcher pour Sonko parce que ce sont nos revendications. Donc, l'Olu Menelen, on est là aujourd'hui, on est là aujourd'hui, on n'est pas pour quiconque, on est pour défendre les droits des citoyens, on est pour avoir un état de droit qu'on ne peut pas avoir avec Macky Sall. Macky Sall a perdu le combat de l'international à cause de nous et on va continuer ce combat-là. Son image a été ternie. Il faut continuer, c'est pour ça que le jeudi, il faut absolument que vous soyez là parce que non seulement on va accueillir Macky pour peut-être 5, 10 minutes, 15 minutes, mais le travail qu'on va faire aux alentours pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe au Sénégal, c'est ce travail-là qui est important. C'est pour ça, pour l'INREP, pour Fofou, quel que soit le temps que vous aurez, c'est très important. Je vous remercie. Macky Sall ay cuune ay yambar ñoo fa nekk xale bu ndaw boo xam ne ñu ko fépp fépp Mbappé Mbappé Mbappé ñoo ñëw di leen di defar bagage voilà donc nak ñom ñu xalat ñu utiliser sen xel

Euh, pour un dimanche, on sait que euh, c'est pas évident et on n'a pas l'habitude de faire des, des marches ni des sittings le dimanche. En général, on les fait le samedi. Mais de voir autant de monde pour un dimanche, ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous d'être venus nombreux pour dire non au régime autocratique de Macky Sall merci à tous d'être venus nombreux pour dire à ce régime fini, à ce régime dur d'enfants, non, non à Macky Sall pour... Non, là c'est... On voit toutes les organisations de la société civile, les gens de PASTEF et d'autres partis, et ça, ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire un grand discours, parce que là la c'est parce que ça fait trois semaines ça fait trois semaines depuis quelques mois on n'arrête pas de faire des manifestations partout à Paris partout en France et je pense que cette mobilisation comme je l'ai dit la semaine dernière doit rester de mise parce que comme vous le voyez toutes les semaines on est en face à un régime qui est dans le déni total on est face à un régime qui ne connaît que la lutte on est face à un régime qui ne connaît que le la confrontation. Nous, encore une fois, comme on l'a toujours dit, on veut un Sénégal de paix, on veut un Sénégal apaisé, on veut un Sénégal où toutes les personnes doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais malheureusement, malheureusement, malheureusement, vous le savez tous, on est face à un régime qui veut brimer son peuple, qui aujourd'hui, par des exactions policières, avec une instrumentalisation de la justice, continue à tuer les Sénégalais surtout quand on voit des forces de l'ordre, des ministères armés qui opèrent auprès de nos forces de défense et de sécurité, ça, les Sénégalais ne peuvent pas l'accepter. Et comme je l'ai toujours dit, encore une fois, même si on se mobilise dans la diaspora et qu'il y ait 5 ou 10 personnes, c'est quelque chose de très très important. Je dis la diaspora sénégalaise, particulièrement en France, a toujours donné le là à ce qui se passe au Sénégal. Fini, d'EF, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, ça donne de la force à nos frères et sœurs qui sont au Sénégal. Donc encore une fois, ils nous regarde à travers les réseaux, ils nous regardent à travers les internet, etc. Les amis, il faut sortir. Il faut sortir. On est face à un monstre. Le régime de Macky encore une fois. En plus de tuer nos enfants, là ils ont décidé de souiller les cadavres des Sénégalais par un délit manifeste. Et aujourd'hui, il y a tout le gouvernement qui s'y met. Donc nous, Sénégalais de la diaspora, qui avons toujours été le dernier rempart, au-delà même de l'aspect économique, encore une fois, ils ont toujours su être debout dans la préservation des acquis démocratiques. Lolo, je pense, voilà, je parle il y a euh, en connaissance de cause, et il y a des gens ici qui ont témoigné, qui se battent depuis 40 ans, 50 ans. La diaspora sénégalaise, surtout en France, a toujours été ce dernier rempart-là. Donc à chaque fois qu'on fait appel à des manifs, il faut vraiment sortir en masse pour dire non à ce régime de Makisal. Donc, moi, je dis encore une fois, comme je dit, on est face à un régime qui sort avec ses ministres pour être dans le délit total. Nous, la diaspora, le rôle qu'on doit jouer dans ce combat-là, on le sait déjà. On ne peut pas se permettre, encore une fois, de laisser nos enfants, nos frères et sœurs se faire massacrer au Sénégal et nous, on reste les bras croisés, c'est pas possible. Donc, les ministres qui sont dans Macky encore une fois, ils vont venir ici le, jeudi et le vendredi. Il semble qu'au Palais Brognard, il va prendre le 22 et le 23, mais particulièrement le, jeudi. On fait appel vraiment à tous les Sénégalais, qu'ils soient dans nos partis politiques ou pas, de sortir. On voudrait le jeudi, Inch'Allah, plus de 3000 personnes devant le Palais Brognard, c'est toute la journée. On le jeudi et le vendredi. Aujourd'hui, on est où On est en matla jolie bah matla jolie qui a toujours été réputé comme étant le fils de Macky Avec toute cette mobilisation, encore une fois, je veux vraiment que vous filmez le nombre de personnes qui ont sortir le dimanche pour savoir que Macky il est fini. Même dans les hommes qui sont réputées d'alors être c'est fier. Ils sont incapables aujourd'hui, les gens de la PR, de mobiliser autant de monde dans une ville comme notre jolie On vous dit qu'encore une fois, c'est résumé fini, et nous, la diaspora, encore une fois, on a un grand rôle à y jouer. Donc le jeudi, le jeudi, le jeudi, je veux vraiment que vous, vous retenez cette date. Jeudi toute la journée, pour ceux qui bossent, posez vos journées. Posez vos journées, les amis, parce que le combat en vaut la peine. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse être libre. Donc une journée de travail, c'est rien par rapport à ça. Donc, de grâce, posez vos journées, on va occuper, d'accord, le palais Brognard le jeudi toute la journée, de 9h jusqu'à 17h, pour montrer à Marisala, en tout cas ici en France, il ne faut pas venir, lui et ses ministres, se promener comme il le faisait avant, ça c'est fini. La deuxième des choses, le vendredi, il y a une grande manifestation aussi qui est organisée devant la CPI, bah, il va falloir qu'on s'organise, qu'on fasse des covoiturages, encore une fois. Ce sera une journée de sacrifice, mais quand on le fait par rapport à toutes ces personnes qui ont été lâchement tuées, aujourd'hui il y a une trentaine de Sénégalais, nos frères et sœurs, qui sont tués comme des lapins. Donc deux jours de travail les amis, je ne pense pas que ça puisse être grand chose par rapport au sacrifice, encore une fois, qu'on peut faire pour ce pays-là. Il y a des gens qui, depuis le 1er juillet, ils sous, les bombes des lacrymogènes, etc. Et que nous, en France, on fait nos manifestations de manière pacifique, sans aucun risque de se faire gazer. Donc on peut dire même qu'on est des privilégiés par rapport à ces gens-là. Donc de grâce, je me permets d'insister là-dessus. Je me permets encore une fois d'insister là-dessus. Vendredi, jeudi, posez vos journées pour qu'on montre à Macky Sall que non seulement il est fini, parce qu'aujourd'hui, il y a un, élément qui est important. Macky Sall, encore une fois, on l'a toujours dit, Macky Sall s'en fout de vous passer le terme des Sénégalais. Ouais. Mais la seule chose auquel Macky Sall fait attention, c'est son image à l'international. Ils savent qu'aujourd'hui, son image est ternie à jamais. L'image de son régime est ternie à jamais. Il peut falloir valoir dans ce pays-là où aujourd'hui il y a une commande politique par rapport à nos ressources, etc., qu'on sont en train de faire avec une certaine confusion de certaines autorités françaises. Et ça, aujourd'hui, c'est fini, il sait qu'il ne savent pas. Donc, il faut encore une fois qu'on montre à Macky Sall, non seulement il est mort, mais il faut qu'on enfonce le trou. C'est important. La bataille à l'international, elle est gagnée pour la main, mais on ne va pas arrêter en six mois. Il faut absolument enfoncer le clou, occuper les radios, occuper les médias, occuper les télés, mais occupons surtout la rue. Ah que si Marisol, si se déplace ici en France et ses ministres, ils savent que non seulement ils sont finis, avant une fois, il y a des choses qui se préparent au niveau des institutions internationales. Vous en saurez d'ici la fin de la semaine. Ils pensent qu'on est qu'on fait du bluff mais il se trompe lourdement encore une fois. Bientôt, bientôt, Inch'Allah, aucun ministre ou toute personne qui soit perpétrée dans les exactions des tueries qu'on a vu au Sénégal récemment pourrait se faire convoquer par un juge s'ils mettent les pieds en France et partout en Europe. Et tu sais que ça, on travaille dessus et on, encore une fois, on n'est pas dans le bluff. Maintenant, la seule chose qui faillit, encore une fois, que les amateurs fassent leur travail comme il se doit, mais nous aussi, en tant que Sénégalais et des justices, qu'on puisse en tout cas sortir d'un masse et montrer à Marisal et à tous et la Sénégalais sénégalaise fera face. Je vous remercie et on reste encore une fois mobilisés les amis, tous les du et au à Right, play again alive. Maki, dégage, le peuple en a marre. Maquis, dégage le peuple en avant Maquis, dégage le peuple en avant